de vacances qui souffrent sur nous comme ça De fatan kuna lahiya duka inda wannan shirin zai tarda ku mai magana aminiyar ku ta kullum rabia avec nous au niger c'est déjà les grandes vacances bpc zai ya kare tun 8 août bac kuma zai le 21 et ça sera le début des moments de détente tous les scolaires, des vacances que chacun va passer à sa façon. Bayan de da COVID-19 ya dora ma kowa da kowa wannan shekara. Mun tafi cikin karkara, là-bas je vous informe pour ceux qui ne savent pas, les grandes vacances riment avec le début des travaux des champs. Kowa kama Mais ici à Niamey, quels sont les bons plans pour bien profiter de ces vacances kuma cikin wannan shakatawa wani irin mataki ne wa'annan matasan za su dauka tana da yanzu covid-19 kin wannan akwai ta kai même la fada profite des vacances au bord du fleuve le sable fin de paradisia yau nan muka dora fadar tamu tare da uh, bakin namu da muka gayyata Mohamed Mamoudou, il est le coordonnateur du parc Yayane ya paradisia paradisia toi alhamdulillah nous sommes également avec Mohamed Nour il est le promoteur de Bon Karma Bon Karma ça va ouais ça va bien tu vas bien ouais mes merci c'est quoi et quoi et quoi et quoi, bon karma Quand mini <laughs> C'est la fête, c'est le show, c'est quoi Explique-moi un peu. bon karma, c'est la fête. Bon, en fait, on organise des événements. Mm-hmm. En fait, euh, on, organise des événements partout dans la ville, Donc, euh, Nous sommes avec euh, Amadou Rufai, c'est un jeune branché de Niamey. Ça va, Amadou Bonsoir, ça va, bien, Ça va très bien. Tu te détends, c'est relax, ah, on oui, vacances, C'est très relax. Ok. Nous sommes avec une star aujourd'hui, Hayman. Ya ça va Tu vas bien Alhamdulillah. merci d'être là. Comment nous sommes venus à faire mayin babu chronique Olivier Olivier ya kake toi. Oui quand iskan Tu sens ça non Ah oui, première première chronique au paradis, c'est du lourd en fait. <laughs> c'est un truc de ouf. Je te jure. Alors, on a quoi au menu aujourd'hui Ah ouais, depuis le paradis, là où je suis actuellement, <laughs> je vous parle tranquillement. Voilà. Dans la chronique de ce soir, je vais rappeler à nos auditeurs et auditeurs que la semaine du 1er au 7 était consacrée à l'allaitement maternel, tout ce qu'il faut savoir dans la partie chronique. Merci Olivier, à tout de suite. bonne émission. Nous aurons également la rubrique de Dandy, les artistes face au Covid-19. Alors là, top, c'est parti. Dans le temps, pendant les vacances, c'était les voyages dans les régions, et même à l'extérieur, et même des cours de vacances dans les écoles ko da yake duka wannan an hana se madam coronavirus kuma kuma bulaguran ma abus shi ma yanzu bai ya samuwa a kasashen waje to cikin wannan sabon yanayin mushurari don su vox pop de biggest ya ne matasa suke da niyya shakatawa cikin wannan vacances bon je les passe souvent je pars aux soirées on organise des soirées entre camarades des fois on part au Canasi on part des fois dans les restaurants. Beaucoup de restaurants, on s'amuse. On, souvent, on, va en boîte et on s'amuse là-bas. Bon, il n'y a pas vraiment assez de distractions, mais la plupart du temps, on sort entre amis, on part se promener, se balader, on part au restaurant, on visite la ville quoi. Et on organise aussi quelques fêtes entre élèves et camarades, quoi. les filles, elles sont, elles sont vraiment dans le mouvement, là, dans le show, les restaurants et tout et tout. a wannan lokacin hutun hôtel. Mohamed mun kuku Amana, on shirya mana vacances ici. Vu qu'on ne peut même pas bouger on est obligé là on est cloué ici quoi to eh albishirin ki na san dai eh da yain, eh covid-19 dans la ta duk duniya duk duniya a Nijar kuma muna cikin ta ko to yanzu ai cikin shi ne muka yi lissayi tun da mu ma yanda aka cewa matasa ce muka yi lissayi muka ce to bari mu samu wurin wanda za mu budewa wanda mutanen yamai matasan yamai za su fara zuwa eh, su zo su sha iska wanda irin sabon yayi sai ba wurin yayi wanda ba kai ka ɗauka Eh, mota ka wani gari mm-hmm. eh, ma a Oh, bon karma. vous avez quoi de prévu Wanga vacances bon. Comment ça, comment ça va se passer quoi Dites-nous. En tout cas, en on a, déjà prévu beaucoup de choses pour. Euh, pour les vacances et tout. On a déjà commencé, c'était avant-hier, le, lendemain de la fête, on a fait une fête ici mhm. au Caraïbe, Caraïbes. Donc on compte continuer dans ce sens-là et, faire, et innover, inviter des artistes hein, <clears throat> et pour pouvoir faire distraire, la jeunesse nigérienne et tout. Donc jusque-là, on, a, on, a, un calendrier qui, est très très lourd. Donc ah on pense, ça promet. Hein? on pense bien bouger la, la jeunesse. Hein? ouais, ouais. Hmm. Ah ouais. Amadou, en tant que jeune branché, quand tu entends tout ce programme-là, <laughs> ça te ah donne envie de. Ça, ça enjaille, Qu'est-ce passe pour toi, quoi Ça, enjaille, ça <laughs> enjaille. T'as hâte, quoi euh, ça, ça, fait déjà arriver, et si je peux le dire. Euh, euh, on espère vraiment que ça sera grandiose parce qu'on aimerait vraiment profiter des vacances. Ouais les boîtes de nuit, c'est vrai, ça branche beaucoup, mais les trucs, euh, pas dans ces genres de coin, dans la nature. Euh... c'est comme ça que ça bouge à Niamey euh, Je pense qu'à Niamey, c'est plus que de l'ambiance, c'est plus que bouger. Euh, Niamey devient maintenant folle entre griffes. On te dire que <laughs> euh, les, ils sont en mouvement, ils sont en perpétuel mouvement. Et puis à chaque fois, c'est des trucs nouveaux que tu vois. La jeunesse a vraiment envie de s'éclater et elle arrive à le faire, c'est-à-dire euh, tant bien que mal. Ouais. <laughs> Quand tu dis tant bien que mal là, <laughs> moi ça en Hausa en Ghana. Kin san kin que abin da ka so muna cikin

eh, matasa suna ça va quoi ça va quoi c'est pas la fin du monde les gens se disent qu'il faut être positif pour vraiment euh, avancer quoi et c'est ça quoi ouais justement da ma yanzu sani déjà ga covid 19 et voilà la batterie de mesures qu'il faut respecter c'est badar kan covid 19 Mohamed euh, paradisia ya ne pour que pour euh, to kin san le jeune arrive à respecter yani kuke shirye-shiryen naku to kin san kin mm. san da eh, tun da aka ce yayin yayin ne ake nan gai kenan ya kamata a ce kowa da kowa shi dauka mataki mm. to a nan paradisiya eh, mu ma mun shiga layi mun shiga layi tun da wajen ma wajen makatan mu ma Eh, kamar a ce wajen restaurant in ma mun tilastan da mutane ayin restaurant ajan yan restaurant in su sa bavet in su sa mm. gan ko su sa mm-hmm. gan yanzu ma ko cikin inda wuri mutane suke zamawa muna cewa mutane to a san dai ya ake yi dan a sa dan distanciation tsakanin su mm. irin wannan to muna da wani program ma na yara wanda muke kawo metro educator wanda suna wasa da yara suna dan gaya musu menene covid din ya aka aka dauka ake matakin zama da covid din to yara alhamdulillah yara alhamdulillah mun gane da ko a gida ana musu zancen mm, tunda yaran ma suna suna dan magana mm. kenan an som vraiment ya yadda muke yi kenan muna abin da covid din bon karma vous organisez des fêtes et vous faites là mm-hmm. j'imagine je suppose que tout le monde saute hein? <laughs> on se tape dessus et euh, vous arrivez quand même à faire respecter les mesures. C'est hankali. Bon. C'est tellement qu'on oublie même quoi. Non, non, on n'oublie pas, on n'oublie pas parce que donc à cause du Covid, on a, on a pu décaler les événements jusqu'au le domaine de la fête. Et même, le, même là, le jour de la fête, on a pu amener des, des lavages. De on on a mené ça, donc on a sensibilisé encore les gens de la maladie, que la maladie est une réalité, que c'est donc euh, il faut que chacun se protège de ça, en fait. donc c'est dans cette mesure qu'on a pu euh, faire notre événement. To, Amadou, quand tu danses là, Est-ce que tu, tu, arrives à penser aux gestes barrières ou tu danses seulement quoi Et eh, Gaskiani, in kana abin kana da shi a cikin kanka amma gaskiya kin san kana cikin rawa kan ce an jayela da wuya da wuya ne ka yi respectan shi da wuya ne ka yi respectan shi kenan ki mai da ake a cire ko kai ba a masa ta ba a masa ta c'est difficile c'est vrai mais bon euh, avec euh, les dispositifs de lave-main et les gels ça au moins on, on s'assure d'avoir ça toujours sur nous ouais, ouais, les ouais. gels euh, pour se laver les mains et tout ça OK. Oui, au moins ça, avec ça. Mais bon, on ne se fait pas de bise non, plus. Il n'y a pas, de, gel sur les <laughs> joues. c'est à vérifier. Ah, ah, ah, c'est ça, on ne met pas de gel sur. on met pas de gel sur <laughs> les joues. Hayman, <laughs> toi, c'est des concerts, c'est des spectacles. Alors, comment, comment tu sais, euh, Quand je monte sur scène, par exemple, je suis en solo. Ah, la, seule chose, la seule chose que j'exige, c'est que la sécurité fasse en sorte que euh, le public n'envahisse pas, par exemple, la scène, le podium. Donc, je fais mon concert tranquillement. généralement, quand je joue pas en live, c'est que je suis seul sur le, podium. quand c'est du semi-live. Et même quand c'est du live, très souvent, j'ai juste mon pied de micro au beau milieu de, du mhm. podium. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Mais ah, justement, tu étais à Dosso. Ah, ben tu as fait un concert pour annoncer les grandes vacances. Exactement. Comment ça s'est passé Exactement. Chandoso, mhm. euh, abin nan ina da mutane yara biyu da suka bi ni don kin gani for example doso can mu uku ne bisa kai ga mambari eh. na wakan don yara tsakankanin mu cikin video mutane suna gani akwai vraiment akwai distance mm-hmm, tsakanin mu akwai distance tsakanin mu fala eko eh vraiment ni duk inda ni je ina zanki tana ma mutane ina kwatanta musu a yi hankali a yi hankali saboda mine ne ake ma gudu kakka aza abu bai nan ka kama ka ka ka kai ka kama wayansu da suna mayar da gida ne musamman ta bayan Allah ka zo ka dauka ka samu su don kuma an tana mutane kenan ba a ce baka yi ta shakatawa amma a yi hankali ka je ka kwaso wani abu kuma ka zo ka tafka ma yan gida su bayan Allah ba su mahita ba kan mu ci gaba da wannan hirar zan mu je shi kuma mu ci dondi da wani artist ne hira cikin rubrikin tashi eh, zan mu dawo just après Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nous sommes des pirates contre la Covid-19. La pandémie liée au coronavirus est encore là et toujours là. Méfiez-vous, prudence et vigilance. Pour cela, surtout Salafada, on continue le combat en abordant ceux qui se battent à travers leur art pour passer le message sur les dangers de la dit. Nous recevons cette semaine, ladies and gentlemen, un artiste que les mélomanes nigérians, en tout cas, connaissent très bien. On l'a vu évoluer depuis son groupe Mamadi Boys jusqu'à atterrir en solo aujourd'hui. Eh, vous connaissez sans doute euh, la chanson On n'est pas des pros, mais on veut devenir des pros. On n'est pas des pros mais on veut devenir des pros. Oh, oh, oh, yeah. Sur le travail pay beau. sur le travail pay c'est le travail paye. On sait aussi que la vie, c'est un combat, un éternel combat. Et nous sommes là sur cette rubrique pour combattre justement euh, euh, la pandémie euh, du Covid ou de la Covid-19. Alors, ça vous dit aussi certainement, on va voyager en quitte, bien évidemment, Niamey, puisque le studio est implanté ici à Kwarakano. On sera à Maradi. On va parler d'une tradition. C'est Kajichou, cha, cha, c'est cha, cha, cha, c'est Kajikankara, Kwas, Kwas, Kwas, c'est Kajichou sai ka ji sha sha sha sha sai ka ji kankarar ta kai ta ce kwas kwas kwas kwas a bien sûr les disant de gentlemen ka gani ka gani kolelanka ka gani ka gani kolelanka amma ke takarawa ka gani ka gani kolelanka Allah ya yarda ka gani ka gani kolelanka On va ta Duma sur l'émission Aziz Tony. Je te souhaite la bienvenue. tu nous plus à présenter. Mm. Alors Aziz, comment tu vas Tu pètes la forme ou c'est la forme que tu Ça va, ça va, tranquille. tout, se passe bien Aziz Ça marche, ça pousse doucement. Ok, tranquille. Alors aujourd'hui, on va parler de cette pandémie parce qu'on sait que l'artiste est extraordinaire. On va parler de la pandémie de la Covid-19. Faut-il retenir quelque chose euh, Tu en retiens quoi s'il faut retenir quelque chose toi euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette maladie Dis-moi. Tout ce que je sais, c'est que c'est une maladie planétaire, Il faut l'appeler ainsi. partout elle n'épargne personne. Et elle, elle, ne fait pas de distinction euh, entre l'âge, la couleur, l'ethnie et tout, et tout, et tout, et tout. Tout le monde est concerné, tout le monde est exposé, voilà. Alors Aziz Tony, dis-moi, en tant qu'artiste, jusqu'où tu es allé dans ton engagement pour aider les populations nigériennes à se protéger contre cette maladie Tu l'as euh, fait, je sais que tu l'as fait. Oui, bien sûr. D'une manière ou d'une autre. Bien sûr, comme engagement, moi je n'ai comme arme que le micro. Donc... Euh, par rapport à nos micros, on a sensibilisé avec des petites vidéos sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On a sensibilisé, on a essayé de montrer aux gens euh, la gravité de cette maladie qu'il faut surtout pas sous-estimer parce que d'autres y croient, d'autres n'y croient pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est vrai, c'est réel, ça existe. Et on a donné tout ce qu'on peut donner pour sensibiliser les uns et les autres d'ici, d'ailleurs, de la campagne et de partout. On est toujours en attente des médicaments contre le coronavirus. En attendant, qu'est-ce que tu proposes, toi, pour continuer la lutte à euh, ce que je propose euh, aux gens, mhm. à la population, à tout le monde, c'est de faire surtout, surtout beaucoup attention mhm. et de respecter les gestes barrières. Tout simplement, la prévention. la prévention. Parce qu'il que vaut mieux prévenir que guérir. Déjà, c'est une Mais tu vois, non Donc, on, voilà, on doit faire très attention. Très attention. Alors, l'instant, cette fois-ci, est solennel. Ah, bien sûr. On aura besoin d'un mot, un mot de fond de l'artiste en ce qui concerne ce numéro. Parce qu'on euh, sait que l'artiste a toujours un message à véhiculer. Tu es kiffé par la jeunesse. Aujourd'hui, tu es écouté par le Niger, de par le Niger, tu écoutes sur le plan international, on te kiffe. Alors quel serait toi ton mot à l'égard de cette jeunesse qui kiffe cette rubrique Aziz Tony pour finir Yeah, cette jeunesse, je demande à cette jeunesse beaucoup plus de conscientisation, mm-hmm. beaucoup plus de prudence, de ne pas sous-estimer cette maladie. Mm-hmm. Et je souhaite la paix pour tout le Niger, pour tout le peuple nigérien, pour toute l'Afrique. La paix. Alors Aziz Tony, on va finir cette émission avec un peu d'ambiance. Je sais que tu aimes ça, je sais que tu secoues déjà la tête. et tu sais aussi qui ce que tu kiffes, il kiffe aussi ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu me proposes pour finir cette émission, Aziz ah. Tony Alors la jeunesse nigérienne connectée un peu partout, on prend congé de vous soucier... Big up. Ay zay. Al borei. Da woy borei. Boromen kamba nyum gangwa. Nebin masitai. Respectons les gestes barrières. On connaît agi. Hey. Retour à la fada depuis Paradisia, paradis sur terre à Niamey. Nous sommes avec euh, Mohamed euh, il est le coordonnateur du parc paradisien. Nous sommes avec Mohamed Nour, il est le promoteur de Bon Karma, les spectacles au bord du fleuve. Mohamed Roufaï, lui c'est un jeune branché de Niamey, une star avec nous à la FADA. Il s'agit de voir comment les jeunes comptent euh, profiter de ces vacances. C'est vrai qu'on ne peut pas bouger, mais ici à Niamey, qu'est-ce qu'on peut faire C'est quoi les bons plans on voit tout ça avec nos invités. Ils nous disent tout. Je vous dis, ils nous cachent rien. Mais n'oubliez surtout pas le numéro sur lequel vous pouvez réagir. Bon, c'est quoi les bons plans de cette année C'est quoi Mine Mohamed, on va Bon, euh, euh, pour vraiment euh, profiter de ces vacances euh, dans cette ère de, pandémie de Covid-19, c'est de faire des plans de, de sortie, d'aller hors de Niamey, parce que on sait que Niamey est un peu bourré, pour ne pas dire encombré, et c'est difficile être à Niamey dans la capitale et de respecter euh, les règles du Covid-19 vu euh, notre culture, vu, notre social. c'est un peu compliqué. Mais alors, euh, en se faisant des plans de sortie pour aller hors de la ville, je pense bien que qu'on est encore plus dans la sécurité de, bien s'amuser, mais tout en respectant quand même les règles du Covid-19. Ouais. Euh, Amadou Tout dépend de comment la personne veut bien profiter de ses vacances. Il y en a qui aiment danser, juste euh, les soirs, sortir, danser, aller en boîte de nuit et tout. Il y en a aussi qui aiment trop la nature, qui peuvent euh, aller par exemple dans les coins éloignés, comme vient de le dire M. Mahamadou, mm, mm, mm. de la ville. par <coughs> exemple, là, après ça a été, semble, là, vous avez les collines, là où par exemple moi, des fois, j'aime bien. bien aller là-bas. Le soir, euh, dans les environs de 17h, tu as une très belle vue sur la ville de Niamey. Et l'air est. Ça, c'est des bons plans. L'air est fraîche et tout. <laughs> on Je profite bien. On de l'air frais. Ça, c'est un bon plan. <laughs> Mohamed karma comment se détendre et puis profiter sans penser à voyager surtout. <laughs> Maintenant, maintenant, <clears throat> maintenant, la ville est très grande, donc il n'y a pas mal de coins pour profiter des vacances et tout. Euh, donc, et surtout dans la nature, comme euh, Lula, Lula, Lula vient juste de le dire. Mm-hmm, mm-hmm. Et il y a aussi des boîtes de nuit, comme euh, les nouveaux, les Zéwan et les tout. Donc, tout ça, ce sont des coins à profiter et à visiter. Donc, en tout cas, nous, moi, j'encourage beaucoup la jeunesse de, de déplacer et d'essayer de se distraire parce que c'est les vacances. Il faut qu'on sent sente que c'est les vacances, en fait. Justement, il y a plein, il y, a des jeunes, pour eux, les vacances, c'est aussi des, des travaux, c'est lancer des projets, c'est de faire des petits commerces. On va les écouter un peu et après on va venir voir vous comment vous arrivez à les jeunes, comment les jeunes arrivent à travailler dans ce secteur quand c'est les vacances. Pendant les vacances, nous occupons à quelques petits besoins pour pouvoir mieux s'en sortir. Par exemple, moi j'achète des chemises les flipperies, c'est ça, ce que j'achète et je les revends encore. À part ça aussi, je fais aussi la peinture des maisons. J'ai voulu aller au village pour fêter, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'aller au village. Mais pour le moment, je suis à Niamey, j'ai bien fêté à Niamey avec euh, ma famille. Et je rends grâce à Dieu. Et en ce qui concerne les activités que je fais lors de ces vacances, bon, je fais le commerce. Oui, j'achète euh, des marchandises j'envoie au Burkina, on les vend, après on me renvoie l'argent. Et en plus de cela, j'ai aussi quelques business que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir. Ok, ben voilà, quand je wannan matasan su dai an ce vacances kasuwanci ne kasuwanci chine wasu 'yan ayyuka ne suke yi don su samu su kama abin hannunsu muna tare da wasu matasa su ma wa'annan ana iya cewa su ma cikin wannan vacances qui on profite pour faire des business alors euh, Mohamed Ndao gare parce que kuna jeran wanga wurin Acte vacances. Dans quoi un jeune peut se lancer et puis euh, ça marche quoi. Genre comme pour vous quoi, <laughs> ça marche pour vous. Oui, euh, euh, je, te donne toujours l'exemple sur Paradisia. Mhm. Présentement ici, nous avons des jeunes étudiants de l'université. Nous avons des jeunes du lycée, du collège qui sont là qui sont là pour ce genre de, euh, de job d'été, comme on le dit en Europe, et qui sont là, qui travaillent avec nous euh, temporairement. Et ils font notre affaire, ils font notre affaire parce que nous, sommes, euh, nous avons introduit une politique ici. on se dit que nous sommes dans un village. Et donc nous avons essayé de recruter les jeunes du village et à travailler avec nous. Mais malheureusement, ces jeunes ont un niveau très bas et ce qui fait que nous avons besoin de, d'autres qui, sont, qui ont un, niveau un peu plus élevé afin de les former en attendant euh, le petit temps qu'ils vont faire avec nous, ils pourront former ces villageois en attendant leur départ. Donc du coup, on s'est retrouvé vraiment avec des étudiants qui sont là avec nous, qui sont là, qui travaillent au niveau de, la, porte de la, de l'achat des tickets, au niveau de la sécurité, au niveau de la cuisine, au niveau de ceux qui s'occupent aussi des enfants, euh, de, l'air des enfants aussi. Donc, euh, vraiment, euh, comme, comme ils l'ont dit tout à l'heure, les vacances, ce n'est pas que se distraire, c'est aussi se faire des petits projets. Mais maintenant, <clears throat> Amadou, les vacances, pour toi, c'est comme ces gens-là, genre, euh, tu, tu, penses aussi, tu, tu, as lancé des choses, tu as des projets ou... Komi yana son tsari. qui hmm. eh, tsari, kake tu sa tsari cikin harkokinka. Ouais. Kana a kana samun lokacin wasa kuma kana samun lokacin yin harkokinka in kasuwanci ne za ka yi in mine ne za ka yi ni da kaina kin ga ina zuwa ina samun command na motoci ina sai da motoci personal eh, ina zuwa kotonu ina ɗaukan motoci a lalle ba shakata kaɗai kake cikin <laughs> don ka me duk da haka nan kana samun lokaci C'est comme on le dit, il y, a, il y, a, un moment pour tout. Il y a un moment pour se distraire et il y a un moment pour travailler. Après le travail. Pour se détendre. Hein. Oui. Après le travail, ça y va de soi qu'on se détende un peu pour se relaxer et tout ça. Mais ben voilà, c'est fun ça. Nous sommes installés aujourd'hui à un peu plus de 13 km de la ville, de la capitale paradisiaque qui nous accueille aujourd'hui. Zombie, mu je mu shakata kaɗan da sheri Coco de Magic System. Et on se reprend juste après. dança. ici, au paradis sur Terre. 13 km euh, de Niamey avec nos invités aujourd'hui au bord du fleuve. Amadou Rufai, un jeune branché de la ville. Nous sommes avec une star à la FADA, Hayman. Nous sommes avec Mohamed Mahamadou, coordonnateur King, par Kingana Paradisia. Mohamed Nour, promoteur de Bon Karma. Aujourd'hui à la FADA, il est question de comment les jeunes passent leurs vacances, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il y a comme bon plan, où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, comment respecter les gestes barrières tout en s'éclatant. Maintenant, vous qui êtes dans le show, Mizak Chamatasa qui prennent d'assaut les coins chauds de la capitale. Hayman, Mizak comme Komi Mutungai, Mutunya Nemi Lahia Jiki, Sabat Akacha Itache Komi. Mbabu Lahia Jiki, kenan babu komi Ouais, ouais. Kenan za ka ça saboda wannan ciwon da an ce yana nan cikin gari ko'ina da ko'ina mm-hmm. kenan kai za ka kare kanka saboda harakokinka su ta yi saboda ka samu lahiyar jikinka ba a hana ka huta mutum huta ba ba a hana a shakata ba amma matakan wannan da an ka ce dole a bi su saboda neman lahiyar jikinmu da na mutanenmu da na kowa da kowa Merci Haiman kun ji dai abin da Haiman ya ce ba ana shakata ba amma dai a ji a hankali kuma ka amince da abin da ake ce ma just barrier. Bon karma Mohamed in dawo gare ka me za ka ce mana matasan da suke En tout cas moi là ils vont prendre d'assaut les boîtes de nuit, les parcs et puis la totale quoi, je te dis hein. ça va fuser de partout. Qu'est-ce que tu vas leur dire <laughs> Ouais ouais effectivement. En tout cas moi le message que j'ai à lâcher euh, à, toute la jeunesse c'est ouais. de se lever, c'est de de, vouloir travailler, à travailler d'abord mhm. et de, créer des petits business partout. Parce que ça ne sert à rien de rester à la maison et à ne rien faire juste attendre que le bon karma organise un show pour venir faire le... donc il faut d'abord chercher l'argent et il faut se bouger donc pour pouvoir avoir quelque chose euh, quelque chose pour pouvoir se distraire après donc donc c'est ça qui avant tout avant tout c'est le travail donc après le travail donc là le bon karma est là et le paradis est là pour créer des événements, pour inviter les artistes comme les Hayman, et tous les grands artistes de la capitale. Qu'on fasse le show ensemble et qu'on se détende. Voilà, et effectivement. Tout. voilà, donc effectivement. <laughs> Merci. Ouais. Yeah! Hey. Avant de se dire bye bye avec nos invités ici au paradis on va accueillir Mr. Oli. Oli Ayane, mais comment on est Ouais, tout va bien, ravi de ton côté. Là, Et moi j'ai envie de te dire, chérie Coco, chérie, chérie Coco, tu me rends Tu m'as dit, on fera du show. <laughs> voilà, Oli. Allez, ravi. On t'écoute là Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Cette année, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel euh, c'était du 1er au 7 août. Et le thème retenu, c'était soutenir l'allaitement maternel pour une planète en meilleure santé. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas partager certains conseils avec euh, nous Par conséquent, l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ont appelé les gouvernants du monde à protéger et à promouvoir l'accès des femmes à des conseils qualifiés en matière d'allaitement maternel qui sont essentiels pour soutenir cette pratique. Selon certains observateurs, outre le rôle des États, la responsabilité de tout citoyen est alors impliquée. Alors on se demanderait que dit l'OMS sur l'allaitement maternel Tenez-vous bien, l'allaitement maternel offre à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie. Il procure des bienfaits dans le domaine de la santé, la nutrition et des émotions aux enfants comme aux mères. Peut-être certains diraient qu'un enfant qui a bien été pourrait avoir plus d'affection maternelle pour sa mère. L'allaitement maternel est partie intégrante d'un système alimentaire durable. Mais si l'allaitement maternel est un processus naturel, il faut le rappeler que ce n'est pas toujours aisé pour les mamans. Les mères ont cependant besoin de soutien à la fois pour commencer l'allaitement maternel et ensuite pour persévérer. Pensez spécial à ces jeunes filles qui sont devenues mères. Enfin, l'OMS informe l'opinion qu'en améliorant l'accès à des conseils qualifiés pour l'allaitement maternel, il est possible de prolonger la durée de l'allaitement et de promouvoir l'allaitement maternel exclusif avec des avantages pour les bébés, les familles et aussi les économies. De fait, les analyses montrent que l'augmentation des taux d'allaitement maternel exclusif pourrait sauver des vies. Et les chiffres sont tombés. Parlant de chiffres, 820 000 enfants pourraient être sauvés chaque année, générant ainsi 302 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Enfin, pour clore cette euh, chronique, amis auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu, quand on parle de l'allaitement maternel, retenez ces mots-clés choisis par euh, l'OMS. D'abord, il faut investir pour des conseils qualifiés sur l'allaitement maternel pour que ces conseils soient plutôt disponibles ou bien à la disposition de toutes les femmes. Ensuite, il faut former les agents de santé, y compris les sages-femmes et les infirmières, pour dispenser des conseils sur l'allaitement aux mères et aux familles. Et aussi s'assurer que les conseils sont offerts dans le cadre de services de santé et de nutrition de routine facilement accessibles. Et n'oubliez pas surtout de travailler en partenariat et de collaborer avec les, organisations de la société civile, les associations. Et pour finir, protéger les, les agents de santé de l'influence de l'industrie des aliments pour bébés. Merci à nos mères qui nous ont allaités. Grâce à elles, nous avons la meilleure santé. Olivier, merci. C'est vrai qu'on se détend à la FADA aujourd'hui, c'est les vacances et tout, mais on ne va pas oublier les mamans et les bébés et leur bien-être grâce à la chronique. fin de tout ça, la fada. On va se dire euh, au revoir, bye bye. On va souhaiter bonnes vacances aux vacanciers et tout. Profitez bien. Mais amma ando ana baki na pas comment ko kuma ce just avec kin covid 19 ko kuma ce duka matakan da ya kamata ku Quand tu saboda ka aje shakatawa a kwaso kuma covid 19. C'est mon cas à haduwa sur la fada du samedi 80 06 88 à 54 c'est le numéro magique sur lequel vous pouvez réagir. On se dit bye bye. Ahora,